du studio Kalangu, bonjour. Vous l'avez compris, quand il est 11h, c'est l'heure du Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Rabia Meikano et je suis avec Mariam Adé. Comment vas-tu, Mariam En forme ce matin Je vais bien, Ravi, et toi Ça va super. Alors, Rabia, on a quoi au menu aujourd'hui ben Mariam, on décolle pour une heure d'actualité et de divertissement. Notre rubrique invité du jour sera super rythmée ce matin. Nous recevons sur ce plateau l'artiste musicien, percussionniste traditionnel Omar Adamou Maidouma, cette grosse caisse de la famille des membranophones. qu'on va découvrir tout au long de cette édition. Il nous parlera de son parcours des percussionnistes, des opportunités et difficultés qui accompagnent son activité. En plus, Rabi Douma, c'est un instrument que nous allons continuer à découvrir dans nos pauses musicales super rythmées. Et oui, Mariam, enfin, nous aurons la rubrique Lotti préparée par l'équipe femme du studio Kalangou. Un gros coucou à Issa Laoli qui assure la technique ce matin et Adama Dawaki, notre chef d'édition. Chers auditeurs et auditrices, nous débutons cette édition avec notre flash d'information qui sera assuré par Tajissir Ali. Bonjour euh, Tajissir, quelles sont les nouvelles aujourd'hui Bonjour Rabi, ah aujourd'hui on va parler sur le lancement officiel de la campagne nationale d'alphabétisation numérique et d'éducation financière qui a été lancée hier à Niamey dans le cadre du projet des villages intelligents et la pour objectif selon le secrétaire général du ministère des Finances de, familiariser la population cible à l'usage des téléphones mobiles pour les transactions financières. La campagne concernera plus de 60 000 personnes, dont 60% des femmes. Ensuite, on parle de la première édition du concours des Green Prize Awards qui a été lancé le mercredi 15 février. Il a pour objectif de récompenser les entreprises qui mettent des stratégies dans leurs travaux pour lutter contre les changements climatiques. Quatre lauréats seront connus et récompensés au mois de mars prochain dans les secteurs de l'agro-industrie, les transports terrestres des personnes, les bâtiments et travaux publics et l'innovation verte. Ensuite, euh, on va terminer par le dialogue politique entre le gouvernement et ses partenaires pour les secteurs d'eau et assainissement. Hier, à Prifé, Yamé cette rencontre qui a pour objectif, selon le ministre de l'Hydraulique, de mobiliser les fonds pour améliorer les secteurs d'eau et de l'assainissement plus de 64% de la population rurale n'a pas accès à l'eau potable, selon un rapport publié par l'UNICEF. Merci beaucoup Ali, à très bientôt. Comme annoncé dans cette édition, nous recevons ce matin le maître du Douma, comme on l'appelle affectueusement dans le milieu artistique, M. Omar Adamou. Omar Ina Kwana, Niger sur Kalangu. Yo, sahiyar yau zan mi hira bisa kan sana'arka ta makaɗin gargajiya. To sanu da zuwa. Rabi na gode kuma lafiya da mi. To. Alhamdulillahi da radio Kalanguya an bishe kina in zo in gwada husa'a ta kuma in faɗi abin da ya ɗan bani daɗi cikin rayuwata. To Umar mun gode amma kan mu fara hirar ta mu ta yau mu shirari waƙar margayi mamman barka waƙa da zan in ce kuka yi tare kiɗan. Eh, waka da muka yi da akwai waƙoƙi da yawa wanda muka yi amma akwai na mandula mandula za mu shirare ka gane ashe an sarrafa juste après mandula du dauphin mamman barka Ravi labari ba duniya le titre Mandula du défunt Malam a été enregistré en 2004 au Centre de formation et de promotion musicale CFM Taya il était en compagnie de notre invité d'aujourd'hui. Maman Mbarka, le national, artiste, musicien, auteur, compositeur et virtuose de la musique traduite moderne nigérienne, dont la voix et les chansons ont bercé les Nigériens durant de longues années. Avec ses chansons phares et très inspirantes, Mariam, Niger mon beau pays, Guida, l'artiste d'exception a marqué d'une empreinte indélébile la musique nigérienne. Son apport culturel ne s'arrête pas là. Avec les efforts qu'il a déployés pour promouvoir des instruments de musique traditionnels à l'international, en plus de former des jeunes à divers métiers. En novembre 2018, il nous quitte en portant avec lui les secrets du biram, un instrument à ses à cinq cordes qui est utilisé par les Boudoumans, un peuple de pêcheurs du lac Tchad. Mais il nous laisse quand même, Mariam, un énorme héritage culturel. Et oui, Rabi, profitant de la grande présence des mes grands et profitant de la présence des grands Omar Medouma dans ses studios pour braquer les projecteurs de cet instrument, nous nous intéressons à la grosse ponture collaboration de Omar Medouma qui a été déclinée dans plusieurs styles. Voilà, Omar, souvenir, souvenir, hein cette édition sera super rythmée. Omar, ta bayan mun shakata da wakar Mandula, za mu soma tambayoyin da muka shirya maka a yau. To madalla. Muna so mu sani kai, zan ce da a sanin mu duma dai kala-kala ce. Duman noma, duman rawa, da duman harauta. Kowace ce kake kaɗawa kuma miye bambanta ta da kingin kai? Eh, to madalla rabi da kika yi mana ga tambaya cikin studio kalangu kuma zan zo in ba da bayani ɗan kaɗan ba mu da yawa saboda shi aka ce in kana son ka sha zuma kaka sha ta da yawa ba eh, ɗan kaɗan mm. sai ka lasa so madalla eh, busa haraka kayan galgajiya na kaɗe-kaɗe ƙasar Nijar duma sun kai kashi hudu ma mm. akwai duman bori akwai duman farauta akwai duman noma akwai duma na galgajiya wanda ake 'yan mata da samari su zo su yi rawa in kaka ta yi daɗi ko kuma ana arme a kira makaɗi ya zo a yi almasiyon ma ya ɗaya su a yi wasanni da gargajiya kai har yanzu na kai ina sa a cikin music. ok kai kinan eh. wace ce kake kaɗawa. ni duma duma ne nake kaɗa amma na rawa. ta rawa ce. ta rawa ce. Oh. yan mata da samari a zo a yi annashuwa a ji daɗi. to kuma ta yaushe kake wannan kiɗin. to rabi alhamdulillahi yanzu dai ina da shekara yanzu dai tun da na fara ta ina bin kanan tsohona da shekara goma na gashi na yi ne kuma Allah ya sa in fara in fara hawan duma in fara hawan duma an sason dizit na fara hawan duma an sason dizit na fara hawan duma cikin garin maradi mm. na fara kiɗin duma na da kaina amma ina da mai gida shine kanan tsohona ana ce mai arji kaɗan katsina. Okay. Eh. Omar a matsayin ku na makidin gargajiya wace dama ce kuke samu a cikin fagen al'adu? To wallahi alhamdulillahi cikin wajen al'adu gaskiya mun samu dama tunda duk yanzu duk inda ka buyi hanya a ce dai a wancan artist ne na gargajiya kuma yare da kankana da maya kowa ya san harkar gargajiya ba ta bacewa tunda mun riga mun rika mun rika su da hannu biyu kuma su ta rika mu da hannu biyu sai godiya ga Allah kaso sai ka ji an ce ba kula da kiɗi da waƙoƙin algadu amma alamun ku kuna samun mafita to mu gaskiya alhamdulillahi saboda da muka yi muka riƙe mu mun riƙe ta ƙwarai kuma ta riƙe mu kuma har ta zo ta shiga cikin haraka modern sai a gama da a gama da gitar da bateri da, da, da, da piano duka komi da komi duka sai a gama kuma a tashi daidai kuma ka samu albarka haka yanzu kowa na cewa a a a wannan abin mu ma su mun koye to ai Umar kenan dole ne mu mu tambaye ka wannan maka wannan tambayar a ganin ka yaya ne ake iya amfani da arzikin da muke da a fannin kaɗe kaɗen gargajiya da kayan kiɗin ma kai ka samu hanyar muna gani eh, <laughs> ka to ka muna ya ne ake iya eh. na gode wallahi saboda wannan kin ma su ji eh wannan tambayar kuka yi mani gaskiya saboda su harka al'adun gargajiya in da haka ba ta amana ka rike ta da hannu biyu to wallahi tana hidda ka ko ba ba ni kuma yanzu in ce alhamdulillah ka gargajiya dai al'adunmu mu na gargajiya gaskiya mutum in ka rike shi da hannu biyu shi na hidda ka kumya kenan ka a tsaya gehe kamar masu kiɗin gargajiya su koma shari su ce su sai gargajiya kenan eh. kai a ganin ka ni a ganina a ganina in ganga ce bugawa in kalangon ce bugawa duk in wani mai harkar gitar ya zo ko wani mai haraka piano ya zo in ya ce shina son ku ce tare bi shi ku ce tare sannu sannukin nan wata rana kai ne gaba tunda yanzu kasashen turai ba a san duma ba jambe ne aka sani amma yanzu da na fara hita da na fara hita tun 2000 da muka fara buwaje tare da mamun barka ƙasa ingila yanzu in na je na gwada fasfor kina da nasa kaji an ce nijar milan ne kai sunan nijar gaba biram duma to yanzu kasashen kasashen turai inda muke zuwa tare da studio shop shop yanzu akwai wani nasara da ya ce mani da bango da kamaru ila da sai yanzu mani da bango da nijar ya zo <laughs> masha Allah masha Allah to kowanne sai mu ubangiji godiya saboda ni na ci na sha kuma na biya bukatu na har yau ni da na zo ni kadai cikin yamai yau ga na aka ce in koma maraɗi yau ina cika telan <laughs> ah? kuma na sai gida na yi gina ah? kowa da kowa yanzu da an ce dai artist na gargajiya dai da an lalabo a ce a ah, ku sai ku umar mai duma shine san harkokin music to umar insha Allah za mu ci gaba da tambayoyin namu amma kan nan zamu leko bangaren sharin jaridun makon namu da abokin aikin mu Michel Deji ya shirya muna Michel qui vient justement de nous rejoindre avec la revue de la presse Bonjour Michel, alors tu as quoi pré... Euh, bonjour Michel. Bonjour euh, Mariam. Alors Michel, tu as, quoi... tu as préparé quoi pour nous aujourd'hui alors, euh, l'agence nigérienne de presse euh, ANP titre euh, Un incendie consume plusieurs centaines de boutiques au marché de la ville de Tawa. On ne déplore aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, notamment plusieurs centaines de boutiques et autres biens installation commerciales, partie en fumée, écrit l'ANP. » Pour rappel, c'est pour la deuxième fois que ce marché de la ville de Tawa, délocalisé au stade régional, est victime d'incendie. Il faut noter qu'un nouveau marché central est déjà construit mais qui n'est pas toujours opérationnel. Un comité de repartition des boutiques a été déjà mis sur pied avec comme président le gouverneur de la région, Issa Moussa, rappelle l'ANP. Alors, euh, Michel, l'hebdomadaire euh, L'Indépendant Plus revient avec d'autres détails sur l'incendie de ce marché d'Ottawa qui avait été inauguré le 21 février 2021 par l'ancien président de la République Issoufou Mamadou. Oui, Rabi, c'est notamment pour rappeler que malgré le renfort euh, du camion citerne de l'ASECNA, la majorité des boutiques est partie en fumée. Les soldats du feu ont été handicapés par les conditions météorologiques, notamment le vent de l'armatan et les conditions hydrauliques avec euh, l'éloignement du point d'approvisionnement en Pour le moment, les causes de cet incendie restent inconnues, mais des investigations sont en cours afin de déterminer son origine et évaluer l'ampleur des dégâts à l'indépendant plus. C'est triste, Michel, du courage à tous les commerçants qui ont perdu leur bien dans cet incendie. Terminons cette revue de la presse avec un peu de sourire. Femme mardi à Zander de la 7e édition de compétition de l'expression de la parenté à plaisanterie, l'humour comme ciment de la paix et de la cohésion sociale, titre l'hebdomadaire gouvernemental Sahel Dimanche Paris ce matin. Oui, Mariam. Et à l'issue des compétitions qui ont duré quatre jours, la région d'Agadez remporte le premier prix en humour et la région de Zander honorée à travers le sketch Amana. La septième édition qui renaît pour la première fois en région a révélé au bout de quatre nuits de compétition placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale des talents qui ont animé les scènes à partir des faits tirés de la vie quotidienne du cousinage plaisanterie au Niger. Ainsi, au total, sept prix officiels et un prix spécial ont été attribués aux meilleures œuvres une autre région sera ultérieurement désignée pour la huitième édition de cette euh, rencontre nationale du cousinage à plaisanterie au Niger, a annoncé le ministre de la Culture, Mohamed euh, Hamid, à cette occasion, rapporte euh, Sahel Dimanche. Et c'est tout pour cette revue de la presse de ce matin. Merci bien, Michel. À bientôt. à bientôt, oui. Merci, madame. Merci. Umar mun gode maka da ka amsa shirinmu a bisa wannan shirin. Ah, madalla gode Maryama Shegun. To Umar zan mu ci gaba da tambayoyin namu. <clears throat> Tambayar mu ta ƙarshe muna so mu sani wai ko ka shirya magada na wannan kiɗin na duma ko in ce akwai waɗanda kake koya ma wannan kiɗin? Eh Rabi akwai magada amma ba nan ba suke. Hmm. Don saboda akwai 'yan ƙannena sun fara kuma suka bari suka ce za su tafi su na ce a tsohon da abinda mutum ke so shi ne ke ni ne na riƙe na riƙe ta kuma gargajiya ta ta rike ni eh, ina fatan ubangiji allah ya sa su diba su gani kuma su komo in su riƙe wurina su ɗauka amma ina da ilaf ina da ilaf eh, university har ina da su yaro shida nake da su amma yanzu ka akwai yaro biyu wa'anda ko ba ni nan aka ce ana son animation cikin cikin university kamar su ganin su je su yi repetition su yi animation ha kowa shi su ce metar kuma su ce metar umaru a to madalla eh, kuma nan cikin gari ina da yara akwai yaro biyu su ma na koya ma su ma suna nan suna dan kankama suna yi amma ba a yi kamar metar kuma a dama ba a yi kawai ma yanzu abin da muke so mu sani kan yi ban kwana da kai ni ana samun abin da ya kamata a cikin wannan sana'ar lalle rabi alhamdulillah ko ba siya ba mm-hmm. don duk in ka tashi ka samu abin dala biyu ka dala uku dala uku ka je gidanka ka bunka ka ce alhamdulillahi iyalanka suka ce alhamdulillah sai kai mu Allah godiya yau ni kan bi so ga sana'a wallahi sai dan ce alhamdulillah kuma ubangiji Allah ya ƙara budi kuma ubangiji Allah ya bada lafiya amin amin eh shi ina naka fata kuma ina ma matasan mu yara kan kanana wanda ke son kirtir ko eh, kidin duma ne kidin kalangu ne eh, kidin ganga ne eh, fantir ne mene ka inda har ka kirtir ne na Nijar inda akwai matashi mai so muna nan santar da music alaji taya mhm. eh in ka zo ka ce mu taimaka ma mu taimaka ma ko ba siya ba mhm, mhm. eh mu watan da watan mu muke kenan dan mu mu ne yau gobe ba mu ne ba haka ne fa dan wanda aka ce in kana da yaro shine da kai ke kake da babba yau in baka da yaro baka da babba mhm, dan duk wanda ka koya ma wata rana kai wata rana shine zai zama babba eh to Omar mun gode da fatan masu sauraron mu sun gamsu da wannan hira da muka yi tare da kai to madalla nagode Maryama amma ina son in presente kin tun daga bisa farkon aikina da na yi eh. har bisa yanzu yanzu cikin wanga aiki har Allah ya bani husa'a na ce dan ka koda na tahi ka a ce son ki a ce a wanga Umar ya bar wani abu eh Umar ya bar wani abu <laughs> wannan sabon albambu ne na yi wanga na duma wanga na ji ma yanzu cikin wanga mursunan na ji kun ɗauko guda eh na ji kun ɗauko guda an gama shi da gitar an gama shi da duma kuma na ji abin ya ta ram generic ke emission kin nema a eh to na ji an dan tsoho mai gidan gamba to kuma na wani akwai shi dan tsoho mai gidan gamba haka ne fa. Eh, kuma na ji wata na ji an samu mai ka gano otal to wai menene ake nihi mai ka gano otal mai ka gano otal kamar ni yanzu da ke zuwa ƙasar turai da ke zuwa ƙasar turai eh. to akwai abokai na an ba su taɓa ta ba ko ina sai a zo a ce kai umaru wai ka tsaye otal aka sabke ko ku cikin wani gida sai na ce otal aka sabke to da aka sabke ko otal da mi ka ci sai na ce masa a ah, ka gani na ci naman kaji mai kyau na ci kihi ana ce masa kaftan ah, eh. kuma salati ga yana sai ga an jala shi da kyau menene menene na ce kai hawa wani gari ne na ce da na ce ina son kurbe kurbe da mai yau aka yi mana ita gaskiya to dole ka dole ka yi kariye in ce me ka gano otal ga waka to gashi to ko in ka rubuta nan ka duba ka gani ka gane shi me ka gano otal to ai shi ne kuma kan dan kidin ne yake Umar mun gode zan mu ce maka mun gode saboda dukkan wannan generikin da muke sa na studio Kalangu tun hwari tun 2006 har zuwa yanzu ko notre rubrique oui, Mariam, dans notre rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat des femmes. Au Niger, ces dernières années, on constate que beaucoup de femmes, notamment les plus jeunes, embrassent le domaine de l'entrepreneuriat, même si pour la grande majorité, c'est de manière informelles et bon nombre d'entre elles rencontrent des difficultés. Alors, quel apport la Chambre de commerce Comment la Chambre de commerce soutient ces femmes Rabi Madame Mohamedou Nana Balkissa, chef de service API à l'entrepreneuriat féminin à la Chambre de commerce du Niger, nous en dit plus au micro de Samira Rouafi la Chambre de commerce a mis en place un service dédié spécifiquement à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Ce service a été mis en place en 2000, donc aujourd'hui ça fait 21 ans que nous sommes là pour les femmes entrepreneurs. Parce que les politiques aujourd'hui ont démontré que les femmes contribuent dans le développement économique du pays. Aussi, il faut être à leur, euh, il faut être avec elles pour les encadrer à travers des actions de formation, de sensibilisation, d'accompagnement avec les différents partenaires, œuvrant dans le même cadre et aussi avec des réseaux alors, comment est-ce que ces femmes pourront faire connaître leur savoir-faire je veux dire leurs produits. Nous accompagnons les femmes entrepreneurs dans les activités des foires, les expositions, tant au niveau national qu'au niveau international. Nous les accompagnons. Et en ce qui concerne celles des régions, quel soutien leur apportez-vous Le service d'appui à l'entrepreneuriat féminin, les activités sont d'ordre national. C'est-à-dire que nous avons fait toutes les régions du Niger, nous avons eu à encadrer les femmes entrepreneurs au niveau national. Quel regard portez-vous sur la femme entrepreneur ici au Niger Aujourd'hui, on peut dire que la femme entrepreneur évolue positivement. Ça me permet de, de parler d'une des activités du service d'appui à l'entrepreneuriat féminin qui est le, le partage d'expériences. Nous sortons avec euh, les femmes entrepreneurs dans les pays de la sous-région pour nous inspirer de leur expérience. Donc, ce qui nous permet d'être euh, au même niveau, niveau qu'elles mhm. et de pouvoir nous perfectionner. S'il faut encore s'améliorer ça nous, à travers les voyages d'études que nous organisons. En tout cas, nous essayons, nous nous améliorons. Rabia, notre tour de musique avec Jeunesse d'Afrique de Fatima Rico. De oui, Mariam, omniprésent dans cette chanson de la diva Fatima Rico, Jeunesse d'Afrique. Dans une Afrique unie comme l'a bien chanté Fatima Rico, cette chanson Mariam qu'on nomme affectueusement au Niger, l'hymne de la jeunesse panafricaine, était à la base d'un poème écrit par le nouvelliste et réalisateur nigérien Haruna Koulibaly. Il l'a proposé à la chanteuse Fatima Rico en 2001 et vu le résultat en chanson, c'était une superbe idée. Cette grande dame est sans doute l'une des plus belles voix du Niger. Née en 1964 à Niamey, elle se lance dans la musique très tôt. Fatih grandit pendant quelques années au Mali où elle découvre de nombreux instruments dans sa famille. L'artiste a bénéficié de l'influence musicale de son oncle qui n'est autre que Docteur Keltegui, Mariko qui jouait à l'époque dans l'orchestre de l'amicale de Niamey. C'est en 1986 qu'elle débute sa carrière au sein de Marhaba et s'impose rapidement comme chanteuse principale de la formation Marhaba. Très active au centre de formation et de promotion musicale à CFPM Taya, elle travaille avec de grands musiciens tels que Yakuba Denke Denke, Haro, Abdallah, John Sofakolei, Adams Junior, Moussa Poussi et j'en passe, mais également avec des instrumentistes comme Omar Maïdouma, notre invité sur ce plateau, d'où le Douma magnifié tout au long de ce titre. Et eh oui, Rabi, à travers cette chanson, Fatima Rico a voulu toucher la jeunesse africaine avec des messages forts et nous rappeler les grandes figures super inspirantes du panafricanisme. Cap Maradi pour notre rubrique reportage sujet régional. Eh oui, Mariam, les nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, la culture nigérienne a perdu le dimanche dernier un de ses dignes fils, en la personne de Mustafa Rafa. Natif du village de Radi, à Maradi, Mustafa Rafa, dépassant les 70 ans, a fait de la musique sa deuxième passion après l'enseignement. Eh oui, Rabi, auteur, compositeur, il est l'auteur de plusieurs chansons d'anatologie qui contiennent des qui continue de conscientiser la population selon le directeur régional de la culture. Ousmane Maman qui parle de l'illustre disparu, il est au micro de Mohamed Maman. Moussa Rafa euh, faire vraiment sa biographie, vraiment on va prendre beaucoup de temps. Mais je sais que Moussa Rafa, d'abord, c'était, il était enseignant et il a fait tout le tour du Niger dans le cadre de, l'enseignement. Puis euh, il a décidé d'embrasser la carrière d'artiste en tant que compositeur de chants. Donc euh, Rafa, c'est un artiste hors pair parce que il a rendu un éminent service ou bien des éminents services au Niger. À travers quoi C'est à travers ses chansons. À travers les chansons, la Mustafa Rafa transmettait des messages très importants pour euh, la population nigérienne. Monsieur le lecteur, quelles sont aujourd'hui les musiques de Mustafa Rafa qui retiennent l'attention du Nigérien Mustafa Rafa chante pour le Niger et que ses chansons euh, restent toujours valables à tout moment. C'est des chansons intemporelles. Oui, parce que Mustafa chante sur des domaines bien précis et qu'il maîtrise parfaitement. Il y a, par exemple, Roi Bakion Kogi, il a chanté pour les arbres, il a chanté pour l'agriculture. Donc, Moussa Rafa, sincèrement, c'est un artiste que le Niger doit vraiment euh, reconnaître ce qu'il a fait. C'est-à-dire lui rendre hommage. Il faut lui rendre un vrai hommage à travers euh, le ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Parce que euh, il a beaucoup fait pour le Niger. Moi, je pense que, à l'instar des autres grands artistes, comme euh, Garba, euh, ainsi de suite, des, artistes qui sont partis, il faut aussi reconnaître la valeur intrinsèque de Mustafa Rafa. Moi, je pense que les artistes là ont beaucoup fait pour l'unité du Niger, l'unité nationale. Ils ont chanté pour tout. Donc, euh, au retour aussi, quand ils disparaissent, il faut aussi les rendre hommage pour que les autres qui les suivent auront le courage de continuer ou de suivre leur chemin. Justement, nous avons Mohamed Maman au bout du fil. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors Mohamed, dis-nous comment cette disparition a été accueillie par les fans du défunt, plus encore de l'univers de la culture amaradi. Et effectivement, euh, quand nous avons appris euh, la mort, euh, la disparition, je veux dire, de ce grand acteur culturel qui est Mustafa Rafa, c'était euh, la consternation, c'était la désolation, parce que moi personnellement, je me, encore, rappelle encore de, de cet homme, de cet illustre personnage, parce que le 3 août dernier, lors de la cérémonie euh, de la plantation d'arbres célébrée à Maradi dans l'arrondissement 3. Il était, il était avec nous où il a même pris la parole devant le gouverneur pour expliquer pourquoi il a chanté euh, euh une de ses chansons qui invite la population nigérienne à la plantation des arbres. C'est une chanson qui a été composée dans les années 80, c'était à l'époque de, de Séné Conté, pour déjà en ce temps-là à interpeller euh, la population à, aller vers la parce que nous sommes menacés, nous sommes guettés par euh, la, désertification. Donc euh, la disparition de Mustafa Rafa a touché plus de, de maladies, surtout qu'il est de maladies pendant et c'est quelqu'un qui a donné en tout cas tout son, temps à la culture de maladie. Mais Mohamed, nous aimerions bien savoir s'il y a une relève qui est préparé pour poursuivre l'œuvre de ce grand monsieur Effectivement, euh, Rafa a toujours utilisé euh, les jeunes filles, surtout les jeunes filles, pour interpréter ses, chansons. Et euh, en tout cas, Ahmad Aroufa, euh, on peut aujourd'hui se terminer de dire que, en tout cas, au moins, il y a un chanteur qui est toujours là, qui, chante ce folklore de, la région et qui va tente autant que ça se peut, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de, de laisser euh, cette musique à base de, de, nos instruments traditionnels, le gourmi, euh, euh, le kanangou et, autres, pour aller vers, plus les instruments modernes. Mais quand même, il y a encore dans, à Madarofa, en tout cas, des jeunes qui sont encore là en train de, de jouer ces instruments pour garder un peu la culture. Et comment ces œuvres sont perçues dans sa région et est-ce qu'on ressent les impacts des messages qu'il a partagés tout au long de son parcours Bien sûr, bien sûr. Euh, euh, l'impact est toujours là parce que euh, j'ai parlé de, la plantation de l'arbre. Nous avons aussi cette chanson Roi Bakoudi qui voudrait tout simplement dire de l'eau au bord de la mare. Déjà, il incitait à, à, l'époque aussi les gens à, à aller vers la culture de contre-saison, à aller vers la pêche. Et aujourd'hui, quand vous tournez autour de, du, du de Maladie, euh, c'est vraiment la culture de compte saison Les gens s'adonnent à cette activité. Il, a chanté euh, beaucoup, beaucoup de, de, chansons de, cohésion sociale, euh, surtout qu'aujourd'hui, nous savons que Madame Faye est un poids à cette question d'insécurité. Donc, c'est aujourd'hui des chansons qui interpellent et qui euh, ont des impacts euh, positif sur, sur la population. Merci bien Mohamed, on se dit à bientôt. Merci bien. D'accord, merci. Rabi, tout doucement, on glisse vers notre rubrique sport avec notre chroniqueur sportif Karim Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Rabi, euh, plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Gourouza, les matchs retard du championnat national de la Super League ont eu lieu le 15 février 2023. Oui, Myriam, trois matchs en retard qui n'ont pas eu lieu à cause euh, de la participation du Niger au Chan en Algérie. Victoire 1-0 de l'AS Nigelec de Niamey devant le Jongorzo de Maradi. Akoukane FC Darlit dispose de l'AS Douane euh, sur le score de 2 buts à 1. Match nul 0 0 partout entre Urana FC d'Agadez USGN, c'est la gendarmerie de Niamey. Alors, Grouze, a donc, a donc quand la reprise de la Super League du Niger pour la 11e journée Oui, Mariam, euh, mardi 21 février prochain, il y aura le match AS Nigelec USGGN. USGGN, c'est l'Union sportive de la garde nationale du Niger. Tawa, la GST croisera le fer au bleu-blanc de Kwaratagi, c'est-à-dire le Liberté FC de Niamey, et le mercredi 22 février 2023 à Niamey, l'Olympique US euh, Gendarmerie, AS Fan, AS Police toujours à Niamey, à Zender, Espoir FC, Akokana Darlit. Le dernier match d'ailleurs de la 11e journée verra le choc à Douanes Sahel à Niamey. Avant de clore cette page à sport, nous allons parler de la pétanque, Grouza. Ah oui, euh, Rabi, euh, la Fédération nigérienne de pétanque s'active euh, pour accueillir à Niamey le championnat national de pétanque. C'est du 24 au 27 février 2023. Et Rabi, c'est un jeu passionnant, la boule. Ça vous dit quelque chose non, <laughs> ben, pas grand chose. Mais, mais, mais, je, je, vous invite à aller voir ce sport passionnant. Et surtout, il y aura les huit régions du pays. Mais nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions, Merci bien, Grouza. Donc, on prend euh, rendez-vous pour euh, les matchs de pétanque. Merci beaucoup. À bientôt. Juste après les sports, place au portrait de cette édition. Dans la réplique portée d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Abdrazek Maazou, un doctorant en droit privé, l'auteur du livre La licorne de l'étudiant en droit. Dans ce reportage, Jacques nous allons voir le parcours du jeune de 35 ans. Il est au micro de Habibou Gaba. C'est après l'obtention de sa maîtrise en droit privé fondamental à l'université Abdou Moumouni de Niamey que Abdelrazak Maazou a bénéficié d'une bourse d'études pour faire son master en droit et pratique des contrats. Aujourd'hui, il est à l'école doctorale de Ouagadougou au Burkina Faso pour sa thèse en droit privé. J'interviens à l'université privée de Ouaga en tant que vacataire. Je dispense des cours de droit là-bas. Ça, c'est dans le cadre de ma formation et ça me permet aussi de joindre les deux Bon, je crois que ce n'est pas ça ne relève pas assez de l'exploit être doctorant à l'âge de 35 ans. Il y en a même qui n'ont pas atteint l'âge de 30 ans qui sont aujourd'hui docteurs. Certaines vertus qui doivent nous caractériser, voyez-vous, il faut être persévérant dans tout ce que vous faites. Selon Razak, c'est après son service civique au tribunal des grandes instances de Dosso qu'il a eu l'idée d'écrire un ouvrage pour aider ses frères étudiants en droit. Aujourd'hui, le livre d'Abdurazak intitulé Lucarne des étudiants des 122 pages fait tabac dans les librairies de Niamey. Au début, je nourrissais pas une ambition pour la plume, voyez-vous. Et donc, euh, après, je me suis rendu à l'évidence que vraiment, il va falloir que j'écrive un document, un ouvrage à l'intention des étudiants de droit. En fait, vous savez, la plupart des ouvrages qui sont les des ouvrages de droit, notamment qui sont sur le marché aujourd'hui, vous allez voir, ce sont des ouvrages qui sont d'abord très volumineux, la plupart. Et il est très difficile d'avoir un ouvrage qui traite et des sujets spécifiques que moi j'ai traités, et notamment euh, comment rechercher la doctrine en droit, comment trouver une phrase d'accroche, comment aimer le droit administratif, voyez-vous. Vous savez, euh, les étudiants ont des idées reçues, notamment sur certaines matières, sur, euh, ils ont, il y a aussi certains étudiants qui sont confondus quand il s'agit de faire un choix entre droit privé, droit public, tout ça là, voyez-vous. Donc j'ai aussi parlé de ce, cet aspect. Ça veut dire que ça vous est arrivé Oui, ça m'est arrivé. Moi-même, quand j'étais en deuxième année, quand je m'apprêtais à faire euh, euh, la licence L3, j'étais confronté au problème de choix. Je veux faire droit public ou droit privé, voyez-vous. Je crois que presque euh, ça peut arriver à beaucoup d'étudiants, le problème de choix entre droit privé et droit public. Pour l'homme de droit et écrivain, la patience et la persévérance doivent être le credo de tout étudiant en droit. Son rêve est de voir le droit privé émerger au Niger. Habib Garba, Studio Kalangu. Merci bien Habib Garba. Entrons dans notre coin détente en musique avec une déclinaison de notre instrument traditionnel du jour, vraiment intéressante et super moderne. Merci Omar, vous l'avez compris chers auditeurs, il est encore avec nous, Omar Meidouin, dansons sur le titre Merci de Studio Chap Chap. وش وش وش وش وش وش تنم مرتات جيت الجماعة تنم مرتات جيت الجماعة فندقوي وش وش تنم مرتات جيت الجماعة تنم مرتات جيت الجماعة فندقوي فندقوي تنم مرتات جيت الجماعة وش وش وش وش فندقوي وش وش فندقوي تنم مرتات جيت الجماعة فندقوي فندقوي à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Millet Dion. Millet Dion. Millet Dion. Millet Dion. danser comme nous, mais en tout cas, au studio, ça danse. Hein. Rabi, pour la petite histoire, Studio Chap c'était à la base un groupe d'émissions réunis pour le projet des jingles pour le lancement du programme du Studio Kalangu en janvier 2016. Le parcours a débuté comme un gros défi lancé à ce groupe. Cosmolita des musiciens créé 27 morceaux et jingles en trois jours. Eh oui, Mariam, je reprends d'abord mon souffle. <laughs> Depuis leur studio Kalangu nous sert de l'électro ultra entraînant avec des instruments traditionnels rares, des machines, des sons de rue composés par plusieurs générations de musiciens. Autour de Laetitia, alias Sakina, chef d'orchestre, il y a le percussionniste Omar Menouma qui est avec nous. Merci bien. Il y a aussi le bassiste Haruna Abdou du Harobas, Seni Halidou au Molo et comme ça. Et aussi Christian Kounodi du Popo au Kende, une harpe à huit cordes venue du Tchad. Et Mariam, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils mettent vraiment le feu au dance floor ensemble. Merci aussi studio Chap Merci. Et eh oui, Rabi, nous avons dansé les dance floor. Faisons un tour du côté de notre rubrique Loti bien, nous ont préparé quoi ce matin Mariam, le loti d'aujourd'hui rappelle au moment l'importance de bien protéger les tout petits pour éviter toutes ces affections liées au froid. Et ça tombe à piquant, hein. le froid il ne veut pas nous lâcher cette année. On les écoute. Hey ana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira ai kya bari mu gaisa ma ku. Hmm, ai biki san Adnan bane ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Hmm, ikon Allah, na wai kina da lahiya kuwa? Ke baki san cewa ba, wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheɗa ba? Hmm, kya ji barira, ita sheɗa har da wata cuta gare ta sabon salo kenan. Ke ban son shasharatu. kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar kimina tana tari ko kin manta ga masassara hanci na zuba mantawa fa mantawa da lokacin da ɗata ta kusa rasa rayuwarta To wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon mina. Likita bai ce miki ba da yarki mina na fama ne da cutar huhu? Ai ita ma cuta ce ta shida. Ke an yi haka. Kina da gaskiya, amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba. To malama, bari in gaya miki ya baki sabili bai baki sabili ba bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fufu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan tsakaninki da Allah barira a bari in kama jikina kai adinan wuce ka ga in maka wanka ka samu ka sa kaya ai ciwo abun gudu ne ke tsaya tsaya nana bari zaki har rana ya fito ki mishi wankan sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi musamman ma wa'anda aka sarrafa su da kaɗa ki kuma sanya musu hula da soseti sannan kuma kar ki manta ki riƙa rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe, ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda. Da lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda Adnan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, sannan ki da kulawa. To fa, in kunne ya ji? Jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. du studio Kalangu, passons à notre rubrique culture linguistique. Aujourd'hui, nous en serons plus sur le mot patience et ça sera avec Tarnan Foudé Ahmed. Bonjour Tarnan. Oui, bonjour Mariam, comment tu vas Ça va bien. Voilà, donc euh, aujourd'hui euh, nous allons parler de la patience. Euh, le mot patience désigne la vertu par laquelle on supporte les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. Il désigne également le calme, la tranquillité, le sang-froid avec lesquels on attend ce qui y viendra. Dans les jargons familiers, on dit que la patience est amère, mais son résultat est doux. C'est-à-dire que la patience est une qualité humaine universelle. Les hommes, les femmes sont toujours honorés dans toutes les sociétés, que cela soit dans les milieux professionnels ou dans la vie quotidienne. Sans la patience, personne ne peut aboutir au résultat escompté. Donc soyez patience. patience tzeidert tzeidert ga sama kosn tsanam kastinni sinne da ezo zeidert chigda gar twake dukkan ki san zeidert mosar chukusene gi sastgraw inki fawedin daqtamo durtan naqwarawa chado den medden ekiyan gashi zazaydar ta wadda ta gerze singer na nashghal wala muddur datamo durtnet inka felat wanna tzaider tazod azuto sarwa ki a inkert mola naimos inka fel nigamay duwan at zazaydar merci beaucoup tarnan tanumert merci Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. On revient au plateau après cette petite pause. Mariam, nos auditeurs dans tout le pays écoutent nos programmes sur les ondes des médias partenaires, sur notre site web www.studiocalango.org et sur nos réseaux sociaux. Ils nous donnent naturellement leur avis sur ce que nous faisons. On les écoute. Je suis euh, Ahmed Saleh, reporter du journal Fassagne. À l'occasion euh, de la journée internationale de la radio, J'aimerais féliciter l'équipe Studio Kalangu pour le travail qu'ils sont en train de faire, celui de l'information, la sensibilisation et autres. Depuis la Tunisie, je suis l'un des auditeurs du journal Studio Kalangu, version Touareg. Je crois bien qu'il mérite tous les soutiens pour que ça continue. Wallahi Kalangu euh, programme nes mukwa zanazaz gari selan iknana gorosa tidini taganti taganta fulan taganta majat taganta francis tawalin nana kulti daga nakalnana da taganta na taga sabenda fil igrazana programme kalangu igrazana tazar tagnal jimat indaga kanane يا تدونين في التمدري تدونين في الساخة تدونين في السلام تدودين خاصة البروغرام نصنا دكزن غرازي خاص awasna rat tasiwdan daga aljimati nisin inta timo sana aljimati nisin udilen leratan yagudni wal isnata leratan gasala dad nigrawa winin ka diagura da adzaz garani salan ala kul zata na da gaddilin zunti hula winti dita gnetan assalamu alaikum na muhammad muntar abici wanda ake cema inta kalan gumuna sauraron su daman can abun da kamar muna jira ne yanda muke so haka muke jin shi studio kalangu ba mu da gidan radio mu ko ko bbc da kai abin gaba ciwon kalangu mu mu bisa abin da muka fahimci su kalangu suna waye mutane kai suna shirye-shirye masu kyau wanda muke so kuma inda suke kayatar da mu babu kamar kowane halshe na nijar suna gabatar da shirye-shirye bisa shi wannan harkokin suna burge mu suna waye mutane kai wanda ke cikin duhu suna hiddo shi ba mu da rajiya yanzu dai problem ma yanzu dai kamar su kalangu mu karatu ne ma abin da baka sani ba sai a sayar da kai kuma shashi shashi cikin Nijar ba kuwan kuwan ba inda muna samun labarin su dan kadan lokaci kadan za mu samu labarin abin da Nijar take ciki wurin su ina gaida su ina jinjina musu Allah kala ruka aikin su yana kyau fi sabilillah mu lailan tasa ni dai da nake sauran su kalangu alhamdulillah Ibrahim Tukur wanda an kai sani da shi Monza ni cikin al'amuran radiyon kalanguma sai in ce wanda na yarda tunda in kuna sai an kare komi aka yi na bai da shi sau da kawa musamman shirye-shirye wanda duk ya shahi cikin ƙasa sai dai ka ji shiga kalangu ba ka jin shiga wani gida wani radio sai dai kalangu to mu haɗe kalangu ta biya mu kuma muna so inda son samu muna a gama muna da aikin sahi ya kamata sattara a ba mu kalangu in ma 30 minutes za a ba mu inar za a ba mu daidai muna so ina gaida muhammad gungudan ta ne Ah, ça fait plaisir, hein, ce feedback sur ce que nous faisons. Avant de se quitter sur cette émission, nous accueillons notre présentatrice du jour, Rafika Attaher, pour avoir un aperçu de la grande édition du soir. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, comment ça va Bonjour ça Mariam. Bonjour. En fait, euh, une brume suivie de poussière caractérise la situation météorologique actuelle au Niger depuis quelques jours. Dans l'édition de 17 heures après les explications, vous suivrez les conseils sur les dispositions à prendre pour éviter des maladies liées à la poussière. Ensuite, les élections générales du Nigeria, c'est pour le 25 février prochain. Dans l'édition du soir, vous suivrez les prières organisées à Koni, ville frontalière avec le Nigeria, les femmes chrétiennes pour la réussite du scrutin de la paix. En fin de la partie magazine de l'édition du soir, nous vous ferons découvrir l'instrument de musique Algaïta du palais du chef de canton de Bandé dans la région de Zender. Ben, merci bien Rafika, on se dit à ce soir. À ce soir, Ravi. Merci. Ici prend fin notre émission de ce vendredi 13 février 2023. Vous étiez en compagnie de Mariam Adé et de Rabia Mekano. Voilà, euh, l'émission elle est super rythmée, Mariam. Nous avons avec nous euh, notre euh, percussionniste du jour, Omar. Omar tu as quelque chose pour nous là Kalangu, Kalangu, ah, Ravi, Mariam. Merci bien. On se dit au revoir en beauté, en musique.